Il est chers auditeurs et auditrices du studio Kalangu, bonjour et bienvenue dans cette émission de la mi-journée, le Niger sur Kalangu l'émission qui concocte pour vous euh, l'info et le divertissement pendant une heure. Vous êtes en compagnie ce matin de Samira Wafi et à mes côtés, j'ai le 50%, j'ai nommé Ali Moukaïla Ouseni. Bonjour Seno, ravi de te retrouver. Moi également Samira, sans plus tarder, euh, déroulons le tapis du contenu de notre programme de ce matin. D'abord, nous aurons le flash d'information, une rubrique hebdomadaire qui parle d'éducation numérique, une bonne dose de musique nigérienne, du loti avec les femmes du studio Kalango. Nous irons aussi en région, précisément en Maradi, pour parler du e-commerce. oui, dans la partie invitée du jour, nous recevons ce matin Balkissa Agarba, une jeune femme qui excelle dans la conception des objets de décoration traditionnelle. Avec elle, nous parlerons de ce domaine dans tous ses aspects et nous, et nous effleurons aussi le commerce de l'encens car c'est aussi une de ses spécialités. C'est nous. N'oublions pas que nous avons aussi euh, notre page sport avec euh, notre chroniqueur sportif et l'explication du mot de la semaine biodiversité en full full day dans la culture linguistique. L'édition est assurée par Adam Adawaki et à la technique c'est Amina Hassan. C'est parti. Sans plus tarder, chers auditeurs, euh, recevez le flash info présenté par euh, Mokhtar Hamadou. Bonjour Mokhtar. Oui, bonjour euh, Ali Moukela Ousseini et bonjour Samira. Le flash d'information à présent. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général de brigade Abdraman Kiani, s'est entretenu hier avec l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Niger, Yang Fang. Les discussions ont essentiellement porté sur les relations d'amitié et de coopération qui unissent la Chine et le Niger. Au terme de cette audience, l'ambassadeur Jim Fang a indiqué à la presse que le chef de l'État n'a pas caché sa satisfaction totale sur le succès du premier bateau destiné à l'exploitation du pétrole. Désormais, le Niger est devenu irréversiblement un pays exportateur du pétrole avec la marque qui s'appelle Melek de très bonne qualité. Le premier vol charter de l'opération Hajj 2024 a quitté hier mercredi 22 mai Niamey en direction de Médine en Terre Sainte avec à son bord 345 pèlerins nigériens. C'est la compagnie euh, Niger Airlines en partenariat avec euh, l'avionnaire saoudien Flydeal euh, qui va opérer le transport des pèlerins nigériens ayant choisi le vol charter à travers plusieurs rotations programmés dans les prochains jours. Cette année, quelques 10 381 pèlerins nigériens inscrits vont accomplir les rites du cinquième pilier de l'islam alors que l'Arabie saoudite a accordé au Niger un quota de plus de 15 000 pèlerins. Selon les autorités et le commissariat à l'organisation du Hajj et la Umrah, toutes les dispositions ont été prises pour assurer un bon déroulement de l'édition 2024. La journée internationale pour l'élimination de la fistule obstétricale est célébrée le 23 mai de chaque année dans presque tous les pays touchés par la maladie pour informer et mobiliser les acteurs autour de la prévention et de l'accès aux soins. La fistule obstétricale est l'une des lésions les plus graves et les plus dangereuses susceptibles de survenir lors d'un accouchement. Il s'agit d'une perforation entre le vagin et la vessie et ou le rectum due à un travail prolongé ou, obstrué sans accès à un traitement médical rapide et de qualité. Et c'est tout pour le flash d'information de ce jeudi 23 mai 2024. Merci Mokhtar, passe une bonne journée. Voilà, c'était le Flash Info, chers auditeurs. Comme annoncé tantôt, nous recevons ce matin Balkissa Garba, une entrepreneur euh, dans le domaine de la décoration. Avec elle, euh, nous allons parler de ce secteur entrepreneurial. Bonjour Balkissa et bienvenue. Bonjour, merci. Voilà, avant euh, de vous donner la parole, je propose qu'on se détende en passant par la première pause musicale avec le titre chabarba de Bloc got me choking you, baby, don't worry. Si t'es prêt, viens voir sans jaillir. Follow me, follow me, choking you, baby, don't worry. Shababa, humaleleke, shababa, basgay. Shababa, humaleleke, shababa, basgay. Shababa, humaleleke, shababa, basgay. Shababa, humaleleke, shababa, basgay. Ah, mata, mata bagishe ko alswaga kuzomira watare munda wo sota kare. follow me baby show me show me how you want goche la go to sec tech ma pato arrête de coucher avec les mêmes potos eh, eh, pendant que tu fais la lisoche tu te retrouveras solo si t'es prêt viens voir s'enjailler follow me follow me chokini chokini baby don't worry de Bloquescu est une euh, véritable pépite musicale qui met en avant le talent de ces deux jeunes rappeurs avec euh, des rythmes entraînants et des paroles accrocheuses. Cette chanson invite les fans à se laisser emporter par la danse et l'énergie festive les sonorités vivantes et le flot dynamique témoignent de leur créativité et de leur passion pour le rap. Et oui, Block Escrew réussit à créer une ambiance chaleureuse et festive, idéale pour animer les soirées. Ce titre est une belle preuve de leur potentiel promoteur sur la scène musicale. Une écoute qui promet de vous faire bouger. c'était le titre Chat barbare de Bloc Passons maintenant à notre invité du jour. Pour ceux et celles qui viennent de nous prendre en cours, nous sommes avec Balkissa Garba. Elle confectionne des objets de décoration traditionnelle. Alors Balkissa, j'espère que tu as kiffé. Oui. <laughs> Super. maintenant rentrons dans le vif du sujet. Quels sont, euh, et comment on appelle ça, les articles de décoration traditionnelle que vous confectionnez nos articles sont les vases, les encensoirs, des tables basses, des soucoupes et des plateaux de service. Nous vendons également des encens. Ok, euh, super. Et euh, quelle est la matière choisie pour confectionner ces, pour ces variétés-là Ce sont de la, c'est de la terre cuite qu'on utilise, de l'argile. Ok. De l'argile, hein oui. Ok, d'accord. Et quelles sont les plus populaires auprès des clients parmi ces articles. Les plus populaires sont les vases et les encensoirs. Et pourquoi c'est les plus populaires Parce qu'il y a des plateaux. Oui, c'est ça. Uh-huh. Les plateaux et les et pour la diversité uh-huh. du modèle, du design qu'on confectionne aussi. Ok, euh, super. Et est-ce que euh, on peut savoir euh, comment vous choisissez les modèles que vous proposez dans votre boutique ou bien votre local Je m'inspire de la nature et je lis aussi la modernité et la tradition. Mhm. nous allons ah. en venir. Ça, ah nous allons en venir par rapport à la <laughs> modernité et la tradition. À toi, Céline. Y a-t-il des, tendances actuelles en matière de décoration traditionnelle que vous observez Genre, euh, est-ce que actuellement, quand vous prenez par exemple euh, pendant les cérémonies de mariage, mhm. hein, pendant les cérémonies de baptême, est-ce qu'il y a, une tendance, ce que les gens préfèrent de plus en matière de décoration En matière de décoration, avec hmm. les objets traditionnels Oui, ce sont des grands vases mhm. OK de 70 cm par. pas le quand, modèle là. Quand on dit 70 cm, ça peut atteindre quelle taille <laughs> la, taille de la table ici. Oh, ok, ok. Ah, c'est grand, ça, c'est grand. C'est sûrement pour utiliser peut-être euh, au salon, un truc oui, de ce le salon, oui. Ok. Est-ce que ces vases-là que vous nous proposez, on peut, euh, par exemple, mettre des tiges de fleurs dedans Oui, on propose même des tiges de pampas. C'est quoi les tiges de pampas C'est ce sont des longues tiges avec des plumes là-dessus. Ah ouais, mm. je vois, je vois, je vois le genre. Ah, c'est très beau. Ok. Et comment est-ce que vous aidez vos clients à trouver les articles de décoration qui leur conviennent le mieux chez vous bien c'est à eux de choisir ou bien je vous leur expose les différents modèles et ça aide de faire le choix en fonction de leur goût. ok. Vous mm. faites des expositions Oui. Ok. Vous avez déjà eu à participer à des, euh, euh, à deux foires. Oui, à deux foires à Niamey Ok, comment ça s'est passé Très bien, l'air. <laughs> Très bien. Ça a été une expérience enrichissante. Ok. Alors, euh, quels sont les, les éléments clés hein, à, prendre en compte lors de la création d'une ambiance traditionnelle dans, un, espace, comme le nôtre ici, dans notre studio Maintenant, si on veut faire une décoration, décoration. qu'est-ce qu'on doit prendre en compte Peut-être les couleurs qui sont plus. Les couleurs les couleurs ont. Vas-y, <laughs> vas-y, prends ton temps, il n'y a pas de souci. <laughs> Et à l'aise. Bah, hein, les couleurs euh, qui, qui oui, la Plus. Ok, comme la couleur de notre micro. Orange, oui, l'orange là, c'est ça. Ah, ah, super. Bah, et le blanc, ça irait Oui, ça irait aussi. Super. Merci beaucoup, Belkissa. Nous avons retenu que. Euh, euh, pour faire de la décoration et vous êtes inspiré surtout par ce que veulent les clients et vous les aidez aussi souvent à faire le bon choix. vous proposez divers articles comme les plateaux, euh, les vases, ah, les encensoirs et tout. Nous allons revenir euh, en profondeur, surtout pour parler de leur utilité. Qu'est-ce qu'on peut faire Quel genre d'utilisation nous pouvons faire avec tous ces éléments-là Avant de poursuivre nos échanges, Balkissa, faisons une autre pause musicale avec le titre Tu me vois d'Amiral Dissé. Yeah. Guy Cauchemar à la lumière. J. Amiral JC. Forever. le C'est juste parce que t'as pas la même vision que les gens. C'est artisans qu'ils sont, ils dépendent ta chance. C'est là tu dois répondre, négliges avec beaucoup sens. Et pas dans les mots, négliges dans le comportement. Sois assidu et fais ta vie tranquillement. Redouble des efforts, une plage le aveuglement. Fais ton meilleur culpa, t'es fautif ou pas. Innocent même pas, regarde juste un pas. Sans c'est de retourner vraiment vers le ciel Et dans sa garde développer vraiment ton potentiel Et tu pourras dévier man tous les pièges D'ailleurs nous c'est qui nous sommes Des là nulle part ailleurs c'était que sur nos fronts le déshonneur Et que dans la vie on n'a pas droit au bonheur Mourir sa raison ou avec beaucoup de réalisme. Développer des idées avec pragmatisme. Écarte-toi de l'égoïsme, banditisme, baloutisme, cancérisme, dénoïsme. En particulier, fainéantisme. Et quand la situation se décante, et là tu pourras lever la tête avec fierté et acclamer ta réussite sans te tromper. Au passage, lance un message aux autres avant de dénigrer la cour de l'autre. Et rassure-toi que dans ta cour tout est propre. Ah, ah les choses que je trouvais me l'église, car nul est parfait. Et car nul parfait. Le la Tu Et oui, euh, le titre Tu me vois d'Amiral JC est une œuvre poignante qui aborde avec lucidité le thème du jugement basé sur l'apparence physique. À travers des paroles incisives et une mélodie entraînante, le jeune rappeur nigérien met en lumière les préjugés et les stéréotypes auxquels sont confrontés euh, de, nombreuses personnes, de nombreuses personnes au quotidien. Amiral Dissé utilise son talent pour dénoncer l'importance excessive accordée à l'apparence extérieure et pour rappeler que la véritable valeur d'une personne réside dans son cœur et ses actions. Ce morceau est non seulement une critique sociale percutante, mais aussi un appel à la tolérance et à l'ouverture d'esprit en écoutant Tu me vois, on ne peut qu'admirer la profondeur et la pertinence du message délivré par l'artiste qui confirme son statut de voix influente et engagée dans le paysage musical nigérien. Voilà, chers auditeurs, c'était là le titre Tu me vois d'Amiral JC. Poursuivons nos échanges avec euh, notre invité du jour. Il s'agit de Balkissa Garba. Euh, tout à l'heure, on a parlé des articles que vous confectionnez et également comment est-ce que vous aidez les clients à prendre ces articles, euh, surtout dans le choix. Mhm. Alors, on va savoir quand est-ce que vous avez commencé toutes ces activités. Est-ce que ça a duré Ça fait combien d'années Ça fait combien de mois ça fait à peu près deux ans. J'étais dans la fabrication de l'encens et comme je proposais des encensoirs à mes clientes mm. et j'ai voulu un peu changer de zone, alors je me suis glissée vers la décoration. Ah, ah ouais. mais ça va de pair avec parce que euh, tu payes l'encens, tu payes l'encensoir. Exactement. <laughs> C'est bien réfléchi. Ouais, c'était une très belle idée. <laughs> Alors, euh, euh, Belkissa, on, va également parler dans cette partie, on va évoquer une autre activité, hein, mhm. celle de la vente de, de l'encens. Mais d'abord, dites-nous, comment maintenez-vous la qualité de vos produits de décoration traditionnels que vous vendez la rareté et la diversité des produits qu'on propose à nos clientes. Oui, c'est ça. D'accord. Dites-moi, combien de temps ça prend, par exemple, de produire et de décorer ce vase-là que je vois devant vous en verre À peu près 5 jours. 5 jours pour la production. La fabrication prend, par exemple, 2 jours. On me le met dans un four, mhm. une heure à deux heures de temps on le laisse sécher. Après, le lendemain, on fait la peinture. Est-ce que c'est un travail sensible Parce que je vois que c'est fragile. Très sensible. <laughs> Et est-ce que vous travaillez seul ou bien vous collaborez avec des gens Parce que de la production à venir faire la, la vente, la vente à part même la vente, regardez, ça prend du temps, la peinture et tout. Vous travaillez avec combien de personnes avant d'arriver à ce produit fini-là Je travaille avec une entreprise familiale de cinq personnes. Ok. Oui. Vous êtes cinq. Oui, on est cinq. <laughs> Et qui fait Qui s'occupe de la production Qui s'occupe de la vente Il y a le grand frère qui s'occupe de la fabrication. Mhm. Les sœurs, du, elles font le, colorage. Et moi, je m'occupe de la promotion et de la vente des articles. Ah, super. Ah, c'est très bien ça. Et eh, bon, voilà, maintenant, est-ce qu'on peut parler euh, des tendances actuelles en matière euh, euh d'encens et car euh, c'est la saison des pluies qui s'installe. Qu'est-ce ah que vous pouvez nous proposer en ce moment Je peux proposer du halout et du gagab. Ce sont des encens qui durent longtemps sur les habits et le corps. Ça rend agréable le cadre de vie et rend les femmes plus coquettes. Hmm. ça. <laughs> Samira, j'espère que tu vas, tu vas, tu vas commander, tu vas lancer <laughs> ta juste après l'émission. <laughs> voilà. Ok. Et quels sont euh, les types d'encens que vous proposez et quelles sont euh, leurs leur, utilité, et leur utilisation spécifique On peut faire quoi, par exemple, avec on propose du halout, du mhm. gagap, du sandal flex, sandal chips et du sable doré. Sable doré, c'est le sable de Médine brut qu'on revisite à notre manière. Hmm. Alors revenons encore une fois de plus euh, à la décoration. Mhm. Ça m'intéresse beaucoup. Hein? <laughs> <laughs> Alors quelles sont vos, sources d'inspiration et comment euh, les incorporez-vous dans votre travail Vous avez parlé au début de l'émission que voilà, vous vous inspirez, vous voilà, vous lisez et vous regardez aussi la nature. Maintenant, comment est-ce que vous incorporez cela dans votre travail Je m'inspire des modèles des, des années 60, par exemple, les anciens modèles, les vases de nos grands-mères. Et je les lis avec ceux de maintenant et on forme un modèle à part entière. Comment est-ce que les clients apprécient vos produits la diversité et la rareté. C'est ce qui fait qu'ils s'apprécient. Ah, en tout cas, nous-mêmes, on est tombés fans. Hein, et la, la, combinaison également, je vois, euh, elle combine les, anciennes modèles euh, avec, les modèles actuels pour euh, produire. un style spécifique à elle. <laughs> Ouais. Parlons toujours des clients. Pouvez-vous partager des anecdotes ou bien une seule sur euh, des clients ou une cliente qui est satisfaite ou des expériences marquantes que vous avez eues en tant que vendeuse d'encens et aussi euh, créatrice d'objets de décoration. Donc, on a, vous nous devez deux anecdotes là. <laughs> Donc, pour ceux qui ont des, anecdotes, je ne souviens pas tellement, mais mm. c'est que sur la plupart des clientes repart avec beaucoup plus d'articles que ce qu'elles ont commandé initialement. Mm-hmm. Super. Ah, Est-ce que ces, ces clientes ou ces clients vous vous, vous, renvoie souvent des retours. Est-ce qu'elles vous font des retours euh, Toujours. Ok. Et c'est comment C'est des retours qui sont positifs ou bien négatifs Ce sont des retours positifs à chaque fois et des encouragements aussi. Super. Ça veut dire que ça. Oui. Oui. Est-ce que vous pouvez partager euh, avec nous Vous avez des conseils pour mélanger par exemple des éléments de décoration traditionnels avec des styles plus modernes dans un espace le conseil que je peux donner, c'est qu'on peut lier tradition et modernité dans le domaine de la décoration. Mhm. Et j'aimerais aussi parler des difficultés rencontrées. On va, en, venir. On va en venir. Maintenant, parlez-nous d'abord. <laughs> Allez, on y va. Est-ce que vous avez des conseils euh, par rapport à comment mélanger des éléments de décoration traditionnels et des styles plus modernes dans un seul espace, par exemple par exemple, on a là des tableaux mm. qui mm. viennent d'ailleurs, puis mm. là, on a encore des objets traditionnels. Comment est-ce qu'on peut les mélanger pour que ça fasse plus joli, plus bon, parce qu'on ne peut pas venir tout prendre et incorporer, dans un même espace. Qu'est-ce que vous conseillez Bon, si la question vous semble un peu euh, euh, difficile, on va aller avec une question très simple. Euh, par exemple, nous savons que vous êtes étudiante. Alors, comment faites-vous Hmm, pour euh, gérer les études et en même temps votre activité professionnelle Pour ce qui est des activités professionnelles, je, je m'investis plus pendant les congés et les week-ends. Parce qu'il y a la maman qui veille sur les études. On ne <laughs> blague pas avec les études à la maison. <laughs> <laughs> Et dans ces activités-là, la vente d'encens, parce que l'encens, sûrement, vous faites tout vous-même. Et là aussi, il y a la famille euh, qui vous aide euh, par rapport à la confection des objets de décoration. Quelles sont les difficultés que vous avez eu à rencontrer ou bien que vous continuez à rencontrer toujours dans ces domaines-là Les difficultés qu'on rencontre, c'est au moment de l'expédition des produits pour les clients qui sont dans la sous-région. Mhm la fragilité des objets pendant le transport. Des fois, on a mhm. des objets qui se cassent. Et aussi, on a l'acharnement des douaniers pendant l'expédition des produits, qui demande un coût élevé de douanement des produits. Et par exemple, si vous devez me livrer alors que je suis à Zender ou à Matamei, comment, si l'objet est, cassé, Bon, maintenant si c'est cassé, comment vous faites C'est moi qui prends les pots cassés ou bien c'est vous qui me remboursez C'est moi qui rembourse à chaque fois. Ah, et là c'est aussi une autre difficulté, difficulté financière. oui. Ok, comment vous faites pour surmonter tout cela Est-ce que vous avez des solutions que vous proposez pour que, par exemple, lors de euh, l'expédition, que ça soit moins fragile Oui, on rembourse avec des tissus les cartons pour que le risque de cassure soit moins élevé. Hmm. Et la plupart du temps, on préfère que ce soit la cliente qui a peut-être un parent qui rentre, qui retourne à la maison et on leur donne une commission. Une commission, oui. Ok, là c'est plus facile. Super. Ok. Voilà, merci. Je crois euh, qu'on ne va pas finir sans lui demander si elle a un conseil pour les jeunes comme toi, comme moi, qui, sont là, qui ne font rien, hmm. ou bien qui n'arrivent pas à mettre euh, en place bien leur idée pour pouvoir se lancer dans une activité parce qu'ils ont peur qu'il y a les études, je ne peux pas avoir du temps. Qu'est-ce que tu vas leur dire aujourd'hui au micro Je suis l'exemple vivant qu'on peut lier études et activités bénévoles. Mhm. Et de et aussi activité génératrice, euh, de, revenus. Et je n'ai pas toujours compter sur les parents. Ah ouais <laughs> Et toi, tu ne comptes plus sur les parents, c'est fini Non, pas trop, pas comme avant en tout cas. <laughs> <laughs> Super, merci beaucoup Belkis Agarwa d'avoir répondu présente à cette invitation malgré le stress et tout. Tout ça, on comprend. En espérant te revoir bientôt et en pleine forme, surtout avec plus de mots. <laughs> Merci. pour élargir nos discussions. Sinon, passe un agréable après-midi. Merci, bien, je vous remercie pour le l'opportunité que vous m'avez offert pour présenter mes, mes, activités. Ah, tous les merci, <laughs> ok, quant à vous, chers auditeurs, on se prend juste après cette courte pause. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Il est 11h passé de 26 minutes. Il est donc temps de passer à la rubrique hebdomadaire qui nous parle d'éducation numérique. Et oui, c'est nous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une fausse information qui circule depuis le 11 avril 2024 au Niger. Une vidéo montrant des armements supposément attribués à l'armée nigérienne a envahi les messageries instantanées, notamment WhatsApp. Pour en discuter, nous avons avec nous Ousmane Mahmoudou. Il est journaliste et responsable du desk numérique du studio Kalango. Bonjour Ousmane. Bonjour Samira. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, peux-tu nous en dire plus sur cette vidéo et ce qui a déclenché toute cette confusion alors, c'est une vidéo qui refait surface actuellement sur les réseaux sociaux, euh, notamment Twitter, donc euh, X, qui s'appelle X maintenant et qui est attribuée cette fois-ci à l'armée burkinabé. Euh, donc au tout début, il faut savoir que cette vidéo-là avait été attribuée à l'armée nigérienne. Donc dans la vidéo, qu'est-ce qu'on voit On voit en fait une colonne de véhicules militaires stationnés euh, aux abords d'une route et il y a, euh, on voit des équipements qui sont en fait des lanceurs appartenant à l'armée ghanéenne. Au Niger, c'était le 11 avril, euh, le 11 avril 2024 que cette vidéo a commencé vraiment à circuler sur euh, WhatsApp, juste au moment où le gouvernement du Niger réceptionnait le système de défense anti-aérien russe à Niamey. Alors, Ousmane, pourquoi cette vidéo est, elle est fausse alors, parce que la vidéo en question ne montre pas des équipements militaires nigériens ni burkinabés, mais des véhicules militaires filmés en direction du stade de Koforidwa au Ghana. C'était un prélude au défilé du 67e anniversaire de l'indépendance du, du pays qui était célébré le 6 mars dernier. Alors, euh, quelles preuves permettent de confirmer cela alors, plusieurs éléments permettent de prouver que cette vidéo ne montre pas des équipements militaires nigériens ni burkinabés. D'abord, on aperçoit des drapeaux ghanéens accrochés tout le long de la route. Puis, on voit aussi une station-service de la Goel euh, Oil Company, donc g o euh, euh, i GOIL, mhm. le, la titraille. Donc cette société, on sait qu'elle ne possède pas une station-service au Niger. Comment ces éléments ont-ils été vérifiés, Ousmane Alors, nous avons procédé euh, par une euh, recherche d'image inversée. La recherche d'image inversée, c'est le fait de trouver les sources originelles d'une vidéo, euh, d'une vidéo ou d'une image sur Internet. et on a fait aussi de la recherche par mots-clés. Donc, la recherche par mots-clés, c'est chaque fois quand vous tapez, je ne sais pas, Niger à indépendance dans Google. Donc, ça, c'est des mots-clés qu'on met. Il y a aussi la recherche qu'on a fait sur Google Maps pour justement situer l'emplacement géographique de cette station. Donc grâce à ces différentes recherches, nous avons pu retrouver le nom de la station que l'on voyait, la station euh, de la euh, euh, Ghana Oil Company de, de C'était en fait la station euh, ça s'appelle, et qui est juste à quelques minutes euh, à pied du stade de la ville. De plus, d'autres recherches nous ont permis de tomber sur des articles, notamment celui de l'armée ghanéenne et des vidéos montrant euh, le matériel militaire qui en fait est, du matériel militaire chinois, euh, de fabrication chinoise, que les autorités ghanéennes ont réceptionné récemment, c'était au mois de décembre. En plus, lorsqu'on lit les commentaires sur euh, TikTok, tout en bas de la vidéo, les internautes indiquent également que cette vidéo vient du Ghana et non du Niger ou du Burkina. Quel est euh, la véridique finale euh, euh, le, verdict, plutôt final sur cette vidéo, Ousmane Alors, la vidéo de, ce qu'on a pu récolter comme info, elle, a clairement été détournée. Elle montre des véhicules militaires ghanéens qui se dirigent vers, le stade de Koforidois pour les préparatifs du défilé militaire célébrant le 67e anniversaire de l'indépendance du Ghana et non des équipements militaires nigériens. Mais vous pouvez euh, partir sur notre site pour lire euh, l'enquête beaucoup plus en profondeur sur www.studiocolango.org dans, euh, dans la rubrique fact-checking. Voilà. Merci infiniment Ousmane pour ces précisions. Chers auditeurs, soyez toujours prudents avec les informations que vous recevez et partagez. Merci euh, de nous avoir écoutés et à bientôt pour une nouvelle chronique, n'est-ce pas, Ousmane oui, oui, hein, ça fait à la semaine prochaine, au jeudi prochain. <laughs> ok, d'accord. Passons maintenant à la pause musicale avec le titre Femme. 21 XXIe siècle existe encore des sociétés humaines qui refusent d'accepter la femme comme un être complet à part entière. Vous n'avez pas le droit de vous approprier leur d'être aussi cruel, vous n'avez pas le droit. Vous de non, vous n'avez pas le droit. tout cela cesse. Les pauvres sont si jeunes et si fragiles, la vie n'a plus aucun sens pour elles, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas ce droit. Pour extorquer leur liberté. Au moment où l'on parle du respect du genre où les femmes nous représentent honorablement à l'hémicycle. Au moment où l'on parle de plus de crédit et moins de discrédit aux femmes. Un mot inconnu résonne depuis les entrailles du passé. La Wahaya, ce n'est plus une légende, loin d'être un conte de fées, son histoire est réelle. D'ailleurs, je m'en vais vous relater les faits avec les larmes aux yeux. Vous n'avez pas le droit de vous approprier leur vie, vous n'avez pas le droit d'être aussi cruel, vous n'avez pas le droit. Les sont si jeunes et si fragiles, la vie n'a plus aucun sens pour elles, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas ce droit. Extorquer leur liberté. Acheter comme du bétail, au plus offrant incarcéré dans sa propre cour comme cinquième épouse. Pas pour le meilleur, mais pour le pire. Face à ses quatre épouses Le titre Femme produit par les guerrières de la musique urbaine nigérienne. Il s'agit bien évidemment de ZM et Sefiat. Elles abordent avec puissance et émotion l'aliénation des droits des femmes dans la société africaine. Et oui, Samira, ce morceau met en lumière les injustices et les discriminations auxquelles les femmes sont confrontées quotidiennement, tout en appelant à une prise de conscience collective. Les artistes utilisent des paroles poignantes et une mélodie captivante pour dénoncer ces inégalités et inspirer euh, un changement votre virginité. le droit le titre Femme produit par ZM et Sofiat, ce qui marque notre entrée en région, un reportage qui nous amène à Maradi. Et eh oui, Samira, alors que les réseaux sociaux continuent de rassembler le monde, le commerce en ligne est devenu une opportunité pour les jeunes entrepreneurs. Cependant, ils sont souvent confrontés à des difficultés dans la gestion de leurs entreprises à travers ces nouvelles technologies qui sont en phase avec leur temps. Sahadat Ibrahim s'est penchée sur les défis auxquels sont confrontés les jeunes entrepreneurs dans le domaine du commerce en ligne à Maradi. On l'écoute. a yayin da kasuwanci ta hanyar yanar gizo ta zama ta sabuwar hanyar kasuwanci ga matasa to sai dai kuma wannan sabon salon kasuwanci da ke tafiya da zamani na tattar da kalubalen da kan diwa 'yan kasuwa irin su isufu abdu dan kasuwa ta hanyar intanet a maradi da magana bashi ke ci masa tuwo a ƙwarya. Yawan su in ku kai kasuwa da su idan suka samu kayan sai kuɗin ka sai wanda gani ko kuma mutum ne zai ce wani na ga riga kaza ina son ta kawo kai kuma kawai cina da ga abokin ka ne ko abokin aikin ka ne kawai ka je ka kawo ta da ka ba in ya ce maka to da kuɗi dole kai hakurin haka nan ko da bai ba kuɗi ka ta hakurin ya wasu 'yan kasuwa irin suna na shamsiya wata mai kasuwanci ta hanyar yanar gizo a nan maraɗi na fuskantar kalubale ne na shiga fargaba da kuma rashin tabbas a yayin jiran kayan da suka tura kuɗin su ga mutanen da ta wayar salula ne kawai suka san juna daga lokacin da ka yi ambuwa nan wato cikin tashin hankali kake da dadda saboda ka zo ka aika ka gamu da mayaudari saboda ni yanzu haka mutanen da nake aika mu kuɗi muna kasuwanci da su suna da yawa kuma wasu ko suka su ban sani ba kuma dukansu ta waya ne muka haɗu kuma suna turo mana kaya sai dai wani bi ana samun irar abin da ka bada ba shi ake kawo ba. a nasa bangare malam yaya ari masanin tattalin arziki da kuma kasafta ayyukan ci gaban kasa na gani 'yan kasuwa na bukatar ƙarin taka tsantsan domin kaucewa faɗawa hannun 'yan yaudara Amincewa da tura kuɗi ta intanet na haifar da ƙalubale a fannonin tsaro da kuma amana. Dole ne mutane su yi taka tsantsan don kaucewa duk wani nau'i na damfara ko zamba. Dogaro da wannan kafa ta zamani kansa na iya haifar da wani ƙalubalen. Wannan dogaro tare da wuce gona da iri wajen yin amfani da wa'annan kafafai na iya ragantar da mutane kan sauyin siyasar kafafen da kuma ƙara gasa a kasuwancin. Kasuwanci ta hanyar yanar gizo na ba da babbar dama ga matasa 'yan kasuwa ta hanyar tsallake ƙalubalen da ke cikin wannan sabon salo na kasuwanci da kuma yin amfani da damarmakin da kasuwancin intanet ke da su, matasa na iya ba da gudunmawa sosai wajen bunƙasa tattalin arziki da kuma hanyoyin ci gaban ƙasa. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Il est 11h passé de 38 minutes. C'est l'heure du sport et nous sommes avec euh, Hassoumi Gourouza. Bonjour Gourouza. Bonjour Mira, bonjour nous. Bonjour. Très bien. Nous partons à Agadez pour parler de l'équipe euh, Aigle de l'Aïr pour sa montée en première division. Oui, cette équipe euh, a fait la fierté à l'époque d'Agadez. Elle a fait également à peu près 19 ans en deuxième division. Mais grâce à sa première place, dans les éliminatoires régionaux de foot, l'aigle de l'Aïr est entré dans la cour des grands avec cette montée en D1. Cette prouesse a été rendue possible euh, cette année grâce aux efforts conjugués des joueurs et dirigeants de ce club. Anissé Karim, notre correspondant sur place, s'est entretenu avec le vice-président euh, du club, Adamou Solar nous On souhaite que le bon Dieu nous donne la chance de monter. On a tant souffert, mais maintenant on a oublié tout ça. On a gagné à peu près 4 matchs et un match nul. Depuis le début, on n'a pas fait aucune défaite. On a fait quatre victoires et un match nul. C'est ça qui nous a fait, on a pris la première place pour être champion de la région d'Agadez. Il y a des joueurs qui ne sont pas présents, il des, ceux qui ont leur travail, n'ont pas le temps de venir jouer. Mais maintenant, on va faire tout pour qu'ils viennent jouer. Et le nombre est insuffisant de joueurs, vraiment. Parce qu'on a joué avec 20 joueurs jusqu'à notre qualification. Mais pour aller Face en face aller de la première ligue, il faut avoir un nombre suffisant à peu près 25 joueurs. Vous comptez les avoir Ils sont là, ils n'ont pas eu le temps de venir faire le championnat de Tunis. Et on peut compter sur euh, vous pour la qualification Soit sûr, il faut compter sur nous. Nous seuls, on ne peut pas aller. Il faut que toute la ville d'Agadez nous accompagne parce que c'est Agadez qui gagne. Après 19 ans, vraiment, on a tout oublié ce qui s'est passé parce que quand la joie vient, on oublie tout. Vraiment, c'est qu'on va dire Dieu merci. On a vu les grands jours. Grouza, on a joué la 27e journée de la Super League euh, du Niger pour la phase retour. Euh, oui, c'est nous. Euh, match nul entre le Liberté et le Zumunta, un but partout. Racing Club de Bukoki s'est incliné devant le Niger, la Nigelec pardon, sur le score de 0-2. 0 but partout en Tagour de Dosso, Espoir de Zender, la GSC de Tawa a été battu 3 buts à 1 par le Jean Gorzo de Maradi. AS Garde nationale a concassé la Cocona, la sur le score de 5 buts à 1. AS Fan a joué deux matchs, les 20 et 21 mai, face à l'Urana, qu'elle a battu 2 buts à 0 et avec l'AS Douane battu 2 buts à 1 au stade municipal de Niamey pour euh, le classement, l'AS occupe la première place avec 56 euh, points. Devant la garde nationale, 54 points. La Nigelec euh, troisième avec 46 points. La gendarmerie occupe la quatrième place avec 45 points. En bas du tableau, nous avons Tagour de Dosso avec 23 points, Espoir de Zender 23 points et Akokana d'Arlit 17 points. Le MENA du Niger devait jouer son troisième match dans le tournoi U17 IFOA de football. Oui, euh, Samira, mais la rencontre n'a pas eu euh, lieu hier et va se dérouler aujourd'hui à l'instant même à l'université Stadium contre les étalons du Burkina Faso. Les jeunes Nigériens, il faut le rappeler, ont battu le Togo sur le score de 3 buts à 0, une défaite devant les jeunes Nigériens. Pour le moment, le MENA U17 du Niger occupe la première place avec 3 points devant le Nigeria, le Burkina Faso et le Togo. Notons que les premiers dans chaque poule dans cette compétition recevront euh, leur billet pour la Coupe d'Afrique des Nations U17 en 2025. Voilà oui. pour le sport d'aujourd'hui. Alors, Gourouza, contre le Togo, vous avez dit trois buts, hein, n'est-ce pas euh, Contre euh, le euh, Togo. C'est trois buts, à 0. à Voilà, à 2. 3 buts à 2. Trois buts à deux. Voilà. <laughs> Merci. Merci, Gourouza, pour ces informations sportives. Passons, passez une excellente journée. Merci à vous. Pensons maintenant au portrait du jour, n'est-ce pas, Samira oui, c'est nous. Le portrait du jour nous conduit à la découverte de Mahamadou Meraga, vie d'un des fosses sceptiques à dans la région d'Agadez. Cette activité lui permet de prendre en charge sa famille malgré le risque souvent auquel il est exposé sur euh, le plan santé. Notre correspondant euh, Ousmane Oumarou est parti à sa rencontre. Voici son reportage. shekara 48 kuma uba ga 'ya'ya takwas bayan da ya zagaye kasashen waje wajen yawon cirani muhammadu ya rungumi sana'ar kwashe ruwan gwalolo da kuma masai yau da shekara hudu eh ni da akal dai ina ganin na kai shekara ta kai hudu ina wanga aiki eh bisa ga wanga aiki dai in mutum ya rika shi da zuciya guda ya ci a sha har ma ya taimaka ma wani yaro dai abin da ke ci karkashi na nan dai tabarkalla sun kai mutum goma sha biyu tunda in kasar waje ka ta ka gani abin ba zai gyara ka ba Allah ubangiji ya kara ruha asiri kuma Allah ka ya ruha tunda da yanzu ina ganin na kashe shekara goma sha biyar ban hita ba da na buga Alger na buga Abidjan na buga Kamaru to yanzu dai a ƙarshe dai wanga aiki na kama na gadi alhamdulillah gaskiya aikin kwashe masai da ruwan gwalolo shina buƙatar tsaftar kayan aiki da su wannan aiki mahmud shina gudanar da shi ba tare da wasu matakan kariya ba da na tsafta aiki ne mai san tsafta bai kamata ba ka ɗauko gwalale na zuba ga titi shi dan wari yi hana shi ya kamata yan uwana abokaina wanda muke sana'a guda ya kamata mu tsaftace aikin mu mu kama mu aikin mu daraja saboda inda kaka ci kana sha to ka bar san kaula kanta da shi gaskiya mu dai babu wata kariya kawai sai dai abinda Allah ya kare mu tunda babu wani abin da muke sa na wajen kariya mu ce saboda warin gwale ko mi gaskiya ba babu abin da muke kariya kawai dai aiki dai muke saboda Allah kuma ba mu taba zuwa likita ba mu ce mu je saboda abin da muke kwasa ko ko mu je wani bizu gaskiya ba mu taba ni dai ban taba ba in akwai wanda taba ni dai ban taba ba saboda Allah ɗaya daga cikin abokan kasuwanci shi ya nuna horin ciki ne sosai bisa kan yanda yake gudanar da wannan aiki na shi ga abin da yake cewa gaskiya billahi muhammadu mai raga sai dai in ce allah ya saka mai da alheri hain in ta barkatan lalle muhammadu mun yi magana da shi duk lokaci zuwa lokaci ya dole kwalhe mini gwalolo na har na je na dawo wajen wata biyar bai kasa ba bai kwasa ta haya ba sai da na zo na tattara kuɗin shi gaba daya na mika mai shi idan ka same shi zo ya kwashe ma tare da ka bashi kuɗi ba yana da daɗin mu'amala saboda in gwalalan ka ta cika kana iya kiran shi da kowane lokaci ya zo ya kwashe ma ba tare da wani matsalar komai bane yau dai muhammadu an san shi sosai dokacin garin arlet bisa kan wannan aiki nashi irin girmama da yake mu abokan kasuwanci nashi ya kawo mishi dokaka a cikin aikin nashi Merci euh, Ousmane Oumarou pour euh, ce portrait. Samira, et si on allait euh, prendre pour une dernière virée musicale. Oui, volontiers, c'est nous. Tu nous proposes quoi eh bien, je propose le titre Tous ensemble de Black Dabs. Chers auditeurs, j'espère que vous allez kiffer. all street. Time to get some black water matters. Time to get some Christmas blossom and trust the wrist. United with you, standing with fall. Check up, roadblocks, blocks. like Daps, Come on, ensemble. Les gros blancs ou métis. Tous les jours, On rêve que ça bénisse. Tous ensemble. Plus loin que tiens ou Tous les jours, Notre avenir, on se le tisse. La MS de culture, nos qui se prostitue. Les des dirigeants contrôlés à la pluie. Tous les jours, tout de drames que je sais dans, nos rues. Tous les jours, trop de larmes de détresse dans mes rues. Tous ensemble. Les gros blancs ou métis. Tous les jours. On rêve que ça bénisse. Tous ensemble. Plus loin que tiens ou il faut se réveiller, je crois bien que c'est l'heure. Dans nos universités, c'est des cerveaux qui meurent. Sans emploi, nos diplômés deviennent dealers. Ou dans le pire des cas, se transforment en braqueurs. Regarde ce pays que tu entends vivant. Pas de travail, ton pas d'avenir pour tous tes enfants. Pas même imagine, c'est que le seul dans 10 ans. Devient tranquille, prisonnier, voleur ou mendiant. Pas même imagine, c'est que le seul dans dix ans deviendront-ils prisonniers de ou Dans les classes pas d'élèves, dis-moi si je rêve Les profs sont en grève, personne ne se lève Ici c'est marche ou crève, comme un absent sève Je reclame une trêve, il faut que ça sorte Les gens se niquent, le sang coule pour des intérêts économiques Personne ne bouge, on l'affaire, y'a trop de fric De trafic, de détournement de fonds publics Ici, aucun but ne marche, à part la politique Le politique est concentrique, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde Tous les jours, notre avenir se le dit. Tous ensemble, blancs blanco ou métis. Tous les jours, on rêve que ça s'embellisse. Tous ensemble, tu chrétiens ou animistes. Tous les jours, notre avenir se le dit. Écoutez les de pleurs en détresse, prends sa état de ma jeunesse. Trop d'illégalité, de détresse, sans cesse. Comment avancer, comment évoluer avec des dirigeants qui pilent les tiroirs Faudra péter s'accaparer, le pétrole nous plaît l'or. Il est les entretués, sans ramasser les corps. Fabioler, la mort, si le triste décor. Laissez-moi sur l'arc de mon Des beaux discours et des paroles à l'air Ne pas en talent, on lâchera pas l'affaire On lâchera pas l'affaire, on lâchera pas l'affaire c'était le titre tous ensemble de Black Daps. Passons au loti aujourd'hui qui parle des responsabilités du mari envers son épouse et ses enfants. Et eh oui, euh, dans nos sociétés et nos cultures, dans un couple, euh, les responsabilités de chaque conjoint sont situées. Une discussion entre euh, Rakia Arimi, Samira Rouafi et Asumana Shina. matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji hey matsukiji Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Subhanallah. Aisha, lafiya kika zo min da kuka? me ya same ki wallahi tantini na gaji wallahi wanga wangan ya ishe ni a wagan wahala wallahi kashe ni dai zai yi me nake shirin ji kashe ki subhanallahi zo gaya mini gaya min da Allah me ya faru tanti wasu ne kuma ba ma yi wata biyu ba na zo gida na gaya muku abin da yake yi mini kuka bani haƙuri kuka ce in koma wallahi ya ƙara ɗokar wannan mugayen halayen nashi yana samun kuɗi amma ko abinci ba iya sai ya kamo na gidan nan baya biyan haya kuma yanzu an koro yara daga lakwal saboda ko in nan da ake biya ba su bada ba yanzu ya ki badawa yaran na can zamna gare ni gida wallahi na gaji ban iya wani ban komawa gidan shi <laughs> kai ni hafsin kwatore zo zauna tsaya ni ɗauko hijabi na in Allah ya yarda yau sai na gaya mishi abin da yake son ji zo mu tahi <laughs> baya manan. Ina nan zai zo ya iske ni, kyale shi. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. A tanti ku ne a gidana cikin dare haka? Ba cikin dare ba ne ina nan tun da sahe nake jiran ka kai sai yanzu ka zo. <laughs> haka ne gaskiya na makaro, na zo cikin dare halin ka ne haka, babu ciniki sosai. To, Allah da ya taimaka. Ɗana, na zo ne in maka magana. Ka zo ka zamna. To, in ka gane ni a gidan nan, don in yi ma magana ne. 'yan watanni ka sa yarinyar nan ta dawo gida na zo da kaina cikin wannan gidan naku na sasanta ku da kai da aisa hmm? yanzu kuma abun ba zato ka sake shiga halayyar naka na da haba usman aha aisa ki ce ki bata min suna unguwa ki bata min suna wajen yan uwanki a'a usman bata bata maka suna ba ai jikinta ma yana gwada halin da take ciki dubi wannan yarinyar usman yanda ta rame ta yi baƙi. ba ci ba sha ha duka kuma wannan abin a bisa kanka yake tanti hafsu ni da kaina ina kwashe gudan ini ban ci komi a kasuwa kuma kaɗan nake samu ina sake wada wasu kaya ne idan na samu riba ita ma za ta samu riba ko usman allah dai ya gafarce ka matakka bata hiye muka wani sauran abu ba kariyarta abincinta da kuma tufafinta da kula da ita usman a bisa kanka yake abinda addinin musulminci ya ce kenan tun ranar da ka ɗauko ta daga gidansu amma abin da kake yi kai halin da kake ɗokawa yanzu gaskiya ka yi hankali Allah ya tambayi ka gobe kiyama. Subhanallah, tanti hausu karki min fatan wannan abin bakin ciki. In baka son a muka fatan wannan abin bakin cikin ka sake ɗan kaɗan kinnan da kake samu da shi ya kamata ka kula da iyalinka ka kula da kasuwancinka. Ka san da yaran ga gobe in suka girma suka zama wani abu ci gaban ku ne in kuma suka lalace wallahi he ka tauna yatsa. Tanti kun mini gafara kuna da gaskiya to usman ba gare ni ba za ka tambayi gafara ga matarka ya kamata ka tambayi gafara tunda ita ce kuke tare da ita aisa da allah ki min gafara kar ki bani ni kadai na sanar na cuta miki kuma yanzu zan kokari in kula da ke da ma yaran mu gaskiya usman ni na bar yarda da kai gaskiya na kummace in koma gida in kuma ka sake mugun halinka kuma aisa na rantse ba ba ƙari kuma ina son ki bani yardarki aisa zamna cikin ɗakin ki ki kula da yaran ki tunda mijinki ya tambaye ki gafara ki gafarta mishi da fatan dai ya saki halin shi ke ma Allah ya baki hakuri ni zan tahi in bar ku ku sasanta tsakanin ku to tance mun gode Allah dai ya sa albarka Allah ya biya ku mun gode tafi Allah ya muku albarka kuma Allah ya muku albarka aux du studio Kalango pour ce loti. C'est le moment de retrouver Abdelmoumoune Niali pour le mot de la semaine à biodiversité en full full Bonjour Niali. Bonjour Samira, bonjour Seno. Bonjour. Donc, euh, comme vous l'avez si bien indiqué, notre euh, mot du jour pour la culture linguistique euh, de ce jeudi 23 mai 2024 est bel et bien la biodiversité. La journée internationale de la biodiversité est une journée qui a été créée en 1993 par les Nations Unies. Et dans le monde entier pour célébrer cette date depuis 2000. La date du, du 22 mai, excusez-moi, a été retenue comme étant une journée internationale de la biodiversité. Donc notre mot du jour, la biodiversité, a été expliqué en français, en anglais, en haussa et en germain. aujourd'hui nous allons l'expliquer en fulfulde konngol biodiversité nder franciré nder fulfulde ni eɗen nantina konngol ngol enɗen ni kulle ɓurɗe tagaɗe gonɗe no ɓuura dow beɗu leydi misali himɓe leɗɗe ko wooɗe e ko nandi titta ladde e jaaye e ko fiili ɗum e ko tawa ɗu ni fa hannden no wuuri nder majjum no haani noon neɗɗo fuu faama ko golle ɗe yimɓe enen tagaɓe gon eɗen gaɗa nder cakantaraji meɗen ko wawi waddani kulle ɗe enden saɗor maji noon nder ɓurna mu'en e nder jonde mu'en gam nde en daari ni golle ɗe gonɗe eɗen gaɗa ɗe enden ni waddi ko kulle goɗon tagaɗe gonno majje hande misali dabaji ladde e ko fa handen ko tawa no wuuri nder diyele ɗe enden denne no woɗi noon durwen surudduni fa handen ko wadda no kulle ɗe enden ni saɗor maji uucn fedde dental leyɗe duniyaru noon haw jina duni fa hannden domol ladde e jaaye no tawra duro duni fa hannden ko watta kulle burɗe ɗe enden fuu tawe no deeni no deeni duni fa hannden gannden en daari kulle ɗe enden no woodi ko gon no gaddane himɓe nafakkaji e nder burna mum en hannden e jaamu kulle ɗe nde niɗe timmi ñannde goɗoon ɗum waawi waddude ko burnan saɗa ɗum duni de en daari fa hannden leɗɗe goɗon no goduno denno ɗe leɗɗe ɗe enden hannden kayen gonno deeni himɓe no hisinaɓe sarri naage ko wawi waddande ɓi adama e ko tawa e wurde dow leydi di enda hannden ko leɗɗe ɗe enden ni e kulle ɗe enden fuu iri en ɓuytiri naabi en majji waddi ko wuƴitagol bakaji e hoore muɗum wonno waddani himɓe saɗormaji fedde de no tarowa duruduni fa hannden ko tefa ko wadda duni fa hannden goɗɗe nder kulle majjuɗe ɗe nden hano ir birdiji ladde goɗon hano ir leɗɗe goɗon gartire nder nokkuje mumen jaare yeeso e burna mumen leɗɗe no awe duni fa hannden ngam renude cakantaraje ɗe nden e ko tawa e wurude nder nokkuje ɗe nden ko taga fuu no woodi yonki ɗum hani faamude duni fa hannden kono woodi ko nafa nder burna hannden e jaamu iri ko wadde ni fa hande himɓe keɓa keni lobbi ɗi poofira denne enen hande ni eɗen kaani ummade daroɗen no hisinde kulle ɗe bien, e ni no fa nafira en burna meɗen hande e jaamu bandiraɓe hettinaniɓe sigilaji niger sur Kalangu, on barkini ɗo dumin daranto on dow nantinol kongol biodiversité nder françire voilà tout pour aujourd'hui. Merci Nali. Sinon, chers auditeurs, si vous avez d'autres mots dont, dont l'explication vous intéresse, n'hésitez pas à laisser un mot par écrit ou par note vocale sur le 82 89 89 64. D'ailleurs, il est temps d'écouter vos messages. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. sunana umar kwarai kaune sauraren shi ne ko da wani lokaci idan ka gaban saurare shi ba sai yan bani gida kuma muna jin daɗin wannan shirye-shiryen da suke da kowane lokaci to lalle ne abin da yake burge ni ciki sauraren shirin nan nasu ni a wuri na ma lokacin shirin yayi kaɗan eh, saboda birgin da yake in son samu ne a samu ɗan lokaci a ƙara ƙaƙa ne amma duk wani lokaci in dai studio kalan gune in dai ina gida to in sha mu Allahu abin saurare na ne eh sani shaibu jigo sandika nan da wannan radio abinda yake bani shawa matuka yana jin daɗi saboda akwai abubuwa da yawa da ake yi cikin ƙasa ta wannan gidan rediyon nake jin shi ko mini daga sauran garuruwa don haka nake watan ubangiji allah ya kara ɗaukaka wannan gidan radio duniya ma ko ina ta ji shi ba nan shiri mai mahimmanci ba kaman bisa harkan mata irin yadda ake waye musu kai su gane yadda al'amuran duniya suke taya kan sana'o'i ko kan taimakon wani kai da kai da sauran kuma biyayya ga mazajensu da kuma biyayya ga abokan zama wannan abin yana jin daɗin shi akwai kaman bisa ga hayo da kasuwanci na mata ko wani noman rani gandare-gandare da suke shiga su gidan wannan rediyon suna ƙara waye ma mata da mazaje kai ba abin Voilà, c'est avec la fin de vos messages qu'on s'est dit au revoir, chers auditeurs. Merci d'avoir été des nôtres. On se prend demain, même heure et sur les mêmes fréquences sur notre site web www.studiokalango.org pour un nouveau numéro du Niger sur Kalangu. À la présentation, c'était Ali Moukela Hussein alias Seno et Samira Wafi. À la technique, c'était tout simplement Amina Hassan et, et Adam Adawaki étaient à l'édition. Passez un très bon après-midi.